Est-ce qu'il est vrai que même si le fait diffamatoire est vrai, le délit peut être retenu si on estime qu'il porte atteinte à la dignité à l'honneur de la personne diffamée Lolo, Lolo, ça n'a même pas de sens. Ah oui. Ça n'a même pas de sens. Ah, c'est Suleiman euh, Ndiaye qui me l'a enseigné. Maître Suleiman Ndiaye. que, que en cas de diffamation, ah même si le fait diffamatoire est vrai, le délit de diffamation peut être retenu mm. si atteinte à l'honneur et à la, dignité de la personne. Ça signifie quoi mm-hmm. Si le fait est véridique, si le fait est véridique, où est la diffamation mm-hmm. Pardon Je dis si le fait est véridique, wow, où est la diffamation C'est vrai, parce que moi je pensais que la diffamation, mm-hmm. moi, il y a qui Mm-hmm. loolu on commencé à retenir jusqu'en 2007. Mm-hmm. Ah si vous allez à l'article 258 du code pénal. Mm-hmm. c'est l'article 248 euh, qui définit les moyens de diffusion publique qui énumère les moyens de diffusion publique. 248 qui énumère les moyens c'est-à-dire. Euh, euh, la radio, la télé, le cinéma, la presse, l'affichage, etc., mhm. euh, la destruction des crédits du mmh. C'est l'article 248 qui, qui, qui, énumère les moyens de diffusion publique mhm. par lesquels on peut diffamer ou injurier quelqu'un. Mhm. Et quand vous allez à l'article 258, l'article 258 n'impose les préventions on dit qu'est-ce que c'est qu'une diffamation, qu'est-ce que c'est qu'une injure. Mm-hmm. Hein? On a dit toute allégation ou imputation d'un fait mm-hmm. qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Et on dit lorsqu'elle a été faite par un des elle est punissable, mm-hmm. même si elle exprime sous une forme. Ou si elle vise une personne ou encore non, non expressément nommée, mhm. mais dont l'identification est rendue possible par les termes discours, etc. Expressément nommée, et euh, dont l'identification est rendue possible par les termes utilisés. Voilà, c'est-à-dire ça, c'est quand on l'utilise de façon dubitative. mais comme, la La personne. Mhm. Pourquoi on permet à la personne mhm. d'apporter la vérité des faits. Mhm. La vérité des faits. Mhm. Parce que c'est là où intervient la bonne ou la mauvaise foi. Mhm. Il n'y a pas de diffamation si la personne est de bonne foi. Ah. Si la personne a entendu dire seulement la vérité. C'est pourquoi on lui permet d'apporter la preuve des faits euh, qu'il a, qu'il a utilisés. C'est-à-dire si la, si la personne apporte la preuve que ce qu'il a dit, c'est vrai, mhm. on exclut automatiquement des soi On aura la personne n'a fait que dire la vérité, même si ça, mhm. même si ça, porte à, à, quelqu'un. Mhm. Ah oui, oui, oui. La personne n'a dit n'a fait que dire la vérité. Maintenant, on en peut hein? pour, pour, un éclairage sur le cas de M. Agibou Somari, qui a utilisé la forme interrogative euh, et épistolaire pour interpeller euh, le chef de l'État sur certaines questions qui font l'objet de son audition aujourd'hui. Est-ce que ces questions posées peuvent rentrer dans le cours d'une diffamation Rien que des questions. Vous savez, euh, on a donné la définition du, fait diffamatoire, mhm. du fait qui peut être qualifié de diffamation. Mhm. Bon, maintenant, cette affaire-là, elle est en cours, donc c'est une enquête qui est en cours. Mhm. je ne peux pas vous prononcer là-dessus, sur, cette, affaire. franchement, vous êtes bien placé pour savoir que. Ça se comprend. On ne peut mhm. pas faire ça. Mhm. mais moi, euh, comme j'ai dit, la bonne foi ou la mauvaise foi de la personne, c'est une. Donc, si la personne est de bonne foi, porter la vérité des faits euh, du diffamatoire, évidemment, le juge ne peut pas rentrer en voie de commun D'accord. Voilà. Mmh. si euh, ce n'était pas vrai, et que donc c'était dans l'intention de dire, mhm. à ce moment-là, je, je considère que c'est un délit mhm. punissable. Mhm. Ok D'accord, mais. Donc, la question de bonne de est très importante dans cette affaire. D'accord. Une, dernière question, Karim. Non, ce n'est pas une question. Hein. Man, hein? Man, Karim, Khouroum ah lu mu waa waaw ngeen def. mais mais papa man xam nga man j'ai j'ai jamais eu l'occasion de nekk ak yow si plateau wala foo xam Sénégal ñuy saraan direct. Mm. mais dama lii pour la pour ñu remercier la bu baax a baax ci taxawaay bi nga amoon ci imam Ndao. waaw yéen moom mm. dañ leen war a jàppale parce que xeex bi ngeen di xeex askan wi mm. yooyu yàlla na yàlla fay. sa taxawaay ci imam Ndao. Euh, rafetoon na trop. ñu ngi ci ñu ngi ciy profité di jaale waa Euh, c'est une perte. Mm. Mm. pour la famille judiciaire mm. pour les barreau. mais c'est également une perte pour le pays. parce que c'est qui qui assumé ses positions. je crois que ça tous les Sénégalais le connaissent. Hein, c'était un homme ouvert un homme qui était réceptif. mais c'était un homme qui était très près de ses convictions. Quand il croit à une chose, il est allé à fond. Mhm. Et il finit toujours par euh, un grand éclat de rire euh, et il passait. Mhm. Donc, euh, voilà. Que Dieu ait pitié de son âme. Amen, amen, amen. Et qu'Allah l'accueille au paradis. Amen, amen, amen. Ah. Mais, euh, Karim. Euh, ah, père. maanaam Oh, excusez-moi, on m'a dit aussi qu'il y a Aïssatou Diop qui est sur votre plateau. Oui, il y a elle-même, il y a Aïssatou Diop Ah ben, dites que je la salue et que je la Merci, papa. Voilà, c'est des personnes courageuses comme ça. Hein. Hein, très, très, très, très courageuses euh, dans leurs convictions. Une bonne Hein. Vraiment, vos analyses sont très pertinentes, même si euh, le ton, le dérange quelquefois mm. certaines <laughs> personnes. Mais en tout cas, voilà. Donc, euh, des analyses vraiment très, très pertinentes qui montrent que personne du métier. Merci, C'est une personne qui est habituée à faire des analyses euh, de façon impartiale. Hein. Merci, merci, merci. On vous félicite et on vous encourage. Merci, beaucoup. Maintenant, maintenant, maintenant, le seul conseil que je me permets de donner, moi, je <laughs>

Je remercie euh, régie mm-hmm. publique SN mm-hmm. mm-hmm. euh, parce que li, lu éclairage euh, parce que avis spécialiste de femme solo depuis des un praticien man suis un praticien. Je xam nga Je je parce que je raconté une anecdote je suis camp qui euh, daf ma diffamé mu euh, Abdoulaye Wilan, hmm. ma suis euh, Souleymane mhm. une plainte lolou wax mais dama bëgg expliquer mhm, comprendre mhm. Wilan ñeu fekk prison parce que mom xam na ni xarit pour bay intermédiation ma

à la fin de l'interrogatoire, le a été remonté et on vient de me dire qu'il n'est pas Les coulisses de l'interrogatoire de maître, je ne serai pas de réponse. avocat bi la. li wolof daal mooy tey ñëwoon nañ tuubee euh, suñu président bi Soumaré dañ ko woon tey si suba. Mm-hmm.